un retour positif. Voilà, il faut que le retour soit positif parce que xam nga Sénégal on a tendance à tout critiquer pour rien tout est critiqué nous sommes au fond de l'art voilà nous au fond de l'art et euh, art de fond incroyable c'est-à-dire qu'aujourd'hui le caméraman est bien sapé Son le caméraman de jeans, euh, chemise euh, t-shirtam yow a nga def sa veste sañse etc. cetera ñii liggéey télé dañuy sañse dem daira, sa bu olof nga c'est pour te dire que c'est dans la mode la mode mënul mënul en fait def dara même le 7 7e art sans la mode mode dafa am importance ci dëkk voilà léegi nag nañ respecter li nga xamante ne mooy suñu mais aussi pouvoir euh, euh, euh, avoir beaucoup plus de créativité parce que mode nak warul Sénégal warul yem Afrique dafa universel pour que nous mën see euh, mën ko utiliser et euh, le made in Sénégal je veux dire euh, dañ ko quoi fibre, fibre, fibre, Los Angeles fibre, fibre, Afrique du Sud etc. il faut avoir une tête bien faite parce que ça dafa éphémère bu njëkk ba avec ses 10 kilos je pense que euh, parce que mode dafa y a standard pour quand même que bien vrai que les on prend les femmes rondes etc. et je salue vraiment euh, cette cette initiative mondiale qui est incroyable parce que jigéen waru am complexe qu'elle soit ronde qu'elle soit xees qu'elle soit nulle qu'elle soit fine je veux dire il faut qu'elle soit bien dans sa peau et qu'elle puisse s'affirmer les nag euh, li wax c'est c'est xale dal, daal du vous mode mais actuellement le monde a changé et l'art ne nourrit pas son homme Moi je suis un acteur culturel je veux dire boo télévision defna cinéma boo cinéma defna euh, mode aujourd'hui xale yi un bagage intellectuel parce que boo ko amulee un si la mode ne marche pas man ne su pas bàyyi woon mode mais damay fande femme ñu toll exactement c'est-à-dire que faire de la télé c'est bien Nous avons ñu télé TFM avons lancé à ses débuts je veux dire euh, si tu n'as pas une tête bien faite une tête solide nga xam yow yaay kan xam li nga bëgg mais du dem parce que voilà il faut il faut vraiment être fort mentalement parce que si dafa metti di nga dégg lu ne dinañ la jiin lu en fait voilà c'est ça c'est-à-dire qu'il faut préparer les jeunes ci ci côté boobu mais c'est pas une fin en soi il faut pas se limiter à ça parce que xam nga dafa comme voilà ci caméraman baa ci image mais voilà quoi ça veut dire que euh, c'est très bien c'est une passion mais le monde a changé la vie a changé et au Sénégal effectivement je l'ai répété trois fois l'art ne nourrit pas son homme da ngay góorgóorlu mais vous avez business business yi ngay def salaire bi ngay am ak

je fais de la politique autrement Je euh, affaire falak pour le moment je ne sais xam VAR dafa never say never mais pour le moment je am euh, vous faites du beau boulot vraiment je l'avais fait euh, ci benn tweet relayer temps élection est vraiment sans émotion avec beaucoup de, de professionnalisme. Euh, c'est un big up, je l'avais tagué même sur mon, Facebook, Dylan Diadifol, vraiment. Vous êtes dans l'ombre, mais en même temps, il y a du travail, il y a un travail incroyable derrière. Et j'invite vraiment euh, tous les acteurs quand même euh, à venir vraiment s'inspirer de, de, ce que vous faites. Merci beaucoup.